Espace femme. Espace femme. Espace femme. Espace Fidèles auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du forum Espace Femmes. Le thème qui fera l'objet du débat d'aujourd'hui, c'est comment prendre soin du nourrisson. Au Niger, la manière de prendre soin du nouveau-né dépend des cultures et des ethnies. Aujourd'hui, malgré la modernisation et les avancées de la médecine sur la prise en charge des bébés, certaines pratiques ancestrales sont toujours d'actualité. Par ailleurs, les assistantes sociales, les organisations non gouvernementales et les agents de santé à leur tour dispensent divers conseils aux mères sur la manière de prendre soin de leurs nourrissons, notamment pour les jeunes mères qui disposent de peu ou pas d'expérience dans ce domaine. Entre les pratiques traditionnelles et celles modernes, souvent beaucoup de mamans ne se retrouvent plus pour prendre soin de leur bébé. Tout cela nous amène à nous interroger sur, dès la naissance, comment s'assurer que le nouveau-né se porte bien. Quand et comment sortir de la maison avec le nourrisson Comment est la meilleure position pour coucher le bébé Avons-nous besoin d'une assistance pour prendre soin plutôt de notre nourrisson ou peut-on le faire seul Et pour tenter d'apporter des réponses à ces questions, nous avons dans ce studio Madame Alka Hamsatou, technicienne supérieure en soins obstétrico. Bonsoir Madame. Bonsoir. Et nous avons aussi Dr. Euh, docteur Nainato Nafisatou, pédiatre. Bonsoir. Bonsoir Madame. Et nous avons aussi euh, Madame Amadou Mariama, infirmière et mère de famille. Et je suis Samira Rafi pour la modération de cette émission. Bienvenue à toutes. Je veux commencer par vous, euh, Madame euh, Nafissa. Vous êtes euh, pédiatre. Dès la naissance du bébé, comment s'assurer que le nouveau-né se porte bien Merci. s'assurer que le nouveau-né se porte bien. dès à la naissance, il est accueilli par la sage-femme ou le gynécologue en compagnie du pédiatre. Et là, à l'examen, on, essaie de voir euh, l'adaptation du nouveau-né par rapport à la vie extra-utérine. Est-ce qu'il est bien coloré Est-ce que euh, la respiration se passe bien Est-ce que côté cardiaque tout va bien Est-ce que il euh, n'y a pas un souci fondamental pour lequel il faut le mettre sous un traitement médical ou une surveillance et euh, examiner aussi le nouveau-né pour voir s'il n'y a pas de malformation, que ce soit euh, au niveau digestif, euh, au niveau des autres appareils. En fait, c'est l'examen médical qui permet de voir est-ce que cliniquement, physiquement, il n'y a pas de souci majeur. Voilà. Quels sont les conseils que vous donnez aux mères pour qu'elles puissent prendre soin de leur bébé le conseil, en fait, il faut remonter depuis euh, la conception. Parce que euh, prendre soin de son nouveau-né, c'est pas seulement à la naissance. Mhm. C'est dès la conception, dès la grossesse, le suivi de la grossesse, l'alimentation de la mère, le repos, euh, l'hygiène de vie des deux parents, parce qu'il ne faut pas que cette maman enceinte soit exposée au, euh, tabagisme, que ce soit elle-même qui fume ou bien qu'elle soit exposée euh, à la fumée. Donc il faut éviter ça, euh, éviter l'alcool, hein. donc prendre soin du bébé pendant même la grossesse. Son alimentation, il faut qu'elle mange riche et que ça soit varié, qu'elle se repose. Tout ça, ça rentre dans le cadre de la prise en charge de son bébé, déjà étant enceinte, avant même la naissance. Donc ça, ce sont des, points extrêmement importants. Surtout par rapport au tabagisme, parce que ça a un impact très, très, très important, très négatif sur euh, le fœtus. Voilà. Est-ce qu'à un certain moment, vous rencontrez des difficultés comme euh, des mères qui reviennent vers vous parce qu'elles ont fait quelque chose qui aurait mis en danger l'enfant hmm, Bon, ça, je crois que plutôt la sage-femme euh, va répondre à cette question parce que les femmes qui sont en grossesse, euh, ce sont elles qui les reçoivent. Bon, nous, c'est après la naissance, donc la femme peut passer pour. Oui, bien euh, sûr. Je parle d'après la naissance. Genre, euh, vous êtes pédiatre. Est-ce qu'il y a certains moments qui reviennent avec les bébés parce qu'ils n'ont pas bien utilisé les conseils que vous leur avez donnés et cela a mis en danger l'enfant Il y en a qui viennent, il y en a qui viennent, mais je dirais que euh, pas beaucoup. <laughs> Il y en a qui viennent parce que généralement elles ont peur peut-être parce qu'il y a ce sentiment de culpabilité si elles ont fait quelque chose qui pouvait nuire au bébé. Mais sinon, il y en a qui viennent nous dire que ah, j'ai fait telle chose et je crois que c'est ce qui lui a causé telle chose, qu'est-ce que je dois faire maintenant Il y en a qui viennent. D'accord. Je reviens vers vous, Madame Hamsoto. Vous êtes technicienne supérieure en soins obstétricaux, je le rappelle. Dites-nous en quoi consiste votre rôle auprès des mères. Ok, merci beaucoup, Madame l'animatrice. Euh, Donc, euh, en tant que sage-femme, en tant que sage-femme, je pense qu'on est là pour euh, le bien-être de la maman et du bébé. Donc, tout ce qui concerne euh, le bien-être ou bien la, bonne évolution de l'enfant, je pense que ça nous engage, nous, les sages-femmes. Donc, je pense qu'on est là pour euh, les sages-femmes et les femmes qui viennent accoucher et, pour leur bien et pour le bien des enfants. Euh, qu'est-ce que vous proposez aux mères, surtout celles qui viennent pour la première fois, qui vivent pour la première fois leur expérience en tant que mère ah, Donc, elle vient de dire que on doit remonter depuis la conception. Tout à fait, c'est ça. Parce que on reçoit d'abord les femmes pendant la CPN, nous les sages-femmes. Donc, depuis la CPN, je pense, on doit expliquer aux femmes comment, euh, qu'est-ce que tu dois faire pour que ton enfant là soit vraiment euh, en bonne santé. Depuis de la, de la, dans le, euh, dans le, Donc, je pense qu'on est là et chaque fois, on donne les conseils aux femmes pour leur dire ce qu'ils doivent manger, on fait le, c'est que les femmes doivent manger, et le, comment s'habiller pendant la grossesse, qu'est-ce que tu dois prendre, tout ce que tu dois, tout ce que, en tout cas que la femme peut faire pour que son enfant soit en bonne santé. Mhm. Donc on le conseille aux femmes chaque fois quand elles viennent au CPN. Mhm. Selon les spécialistes, un enfant qui n'est pas vacciné risque davantage de tomber malade, d'être handicapé à vie et même de mourir précocement. Au Niger, dès la naissance, le premier vaccin administré, c'est le BCG, polio 0, nous avons eu euh, toute cette petite cicatrice <laughs> sur notre corps. Mhm. Et euh, ce qui m'amène à la prochaine question. À partir de ce moment, comment se déroulent les vaccins du bébé Et les vaccins du bébé, depuis la naissance, on reçoit les BCG et à 10 semaines, à 10 semaines, la femme commence à aller au CPN. Parce que les BCG, on les reçoit à la, maternité et la naissance. Mhm. Maintenant, à 10 semaines, la femme commence à aller pour les CPN et pour leur, excusez-moi, pour les consultations nourrissons ou, dans les CSI. Donc, c'est là-bas qu'on l'a fait et les consultations nourrissons et la vaccination en même temps. Donc, chaque mois, l'enfant reçoit, il y a des vaccins que l'enfant reçoit au fil et à mesure jusqu'à, jusqu'à, à deux ans. Je pense, docteur, c'est ça, mais jusqu'à deux ans. Donc, euh, l'enfant aura exactement combien de vaccinations Donc, il y a le, à la naissance, il y a le BCG qu'on fait, plus polio oral. Et donc, euh, à, au dixième semaine, on, fait le DT coq. Ah, juste pour dire qu'à la naissance, il y a ce BCG plus euh, le polio oral qu'on fait. Hmm. Et maintenant, à six semaines, ah, on commence euh, le pentavalent. Donc là, ça regroupe la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, hmm. l'hépatite B donc, euh, en plus de ça, on fait la polio, mhm. on fait euh, la vaccination contre le rotavirus et euh, la vaccination contre le pneumocoque, le pneumo 13. Donc, on fait ça à 6 semaines. Un mois plus tard, on refait donc à 10 semaines, à 14 semaines. Donc là, à partir de là, il faut euh, à neuf mois pour que l'enfant reçoive la vaccination contre la rougeole, la fièvre jaune, plus la vaccination contre la méningite, le meningo A. Mhm, mhm. Voilà, ça, ça a été euh, introduit il y a deux ans au, Niger. Mhm. Donc, à partir de là, au 16e mois, on fait le rappel euh, de la rougeole. En plus, on ajoute pour le l'oreillon et la rubéole. 16 mois. Maintenant, à partir de deux ans, il y a un certain nombre de vaccins qu'il faut faire, mais que les parents doivent savoir que l'État ne prend pas ça en charge. Mhm. Ce qu'on a cité là jusqu'à 16 mois, c'est ça que l'État prend en charge. À partir de deux ans, c'est aux parents de prendre en charge ces euh, différents vaccins. Prendre en charge donc ces différents vaccins. Alors, euh, il est extrêmement important les vaccinations, comme vous l'avez dit, parce que ça a permis, en fait, euh, de neutraliser, si on peut dire, certaines maladies, beaucoup de maladies infectieuses chez les enfants qui euh, représentaient euh, des maladies qui provoquaient beaucoup, beaucoup de décès chez, chez les enfants. Donc ça a permis d'avoir une grande avancée dans la prise en charge de nos enfants. Donc la vaccination, c'est extrêmement important c'est extrêmement important. On finit jamais d'attirer l'attention de, de la population, des maires par rapport au, vaccin. Et comme Nada, je le dit, mieux vaut prévenir que mhm. euh, guérir. Voilà. Merci. Ma prochaine question vous est adressée, à euh, Madame Mariama. Vous êtes infirmière et mère de famille. Parlez-nous un peu de votre euh, première expérience en tant que mère. Merci. Je suis infirmière à la Nimona CHR. Je suis mère de huit enfants. Vous êtes mère de huit enfants. Comment ça s'est passé pour euh, la première fois La première fois, c'est un peu difficile. <laughs> Euh, parce qu'on m'a aidé beaucoup. Votre euh, dernier enfant, vous l'avez eu il y a combien de temps exactement Il a onze mois. Il a 11 mois. D'accord. Merci beaucoup. En Afrique, plus précisément au Niger, beaucoup de personnes pensent qu'il revient seulement à la mère, euh, la femme, c'est-à-dire de prendre soin de l'enfant. À ce propos, je vous propose d'écouter les avis de quelques pères, hommes et proches sur la question. Il y a beaucoup de problèmes. Parce que l'enfant là, c'est pas simplement pour la, pour la maman, c'est pour aussi pour le père. Donc il faut que les hommes là restent à la maison le peu là de temps qu'ils ont là ils n'ont qu'à consacrer ça pour leur famille. Au lieu de rester dans des fades en train de prendre du thé ou bien en train de jouer du cartes, vaut mieux rester à la maison pour donner une bonne éducation à ton enfant. Les hommes peuvent bien s'impliquer. Parce que, à des fois, là, sa maman là, a besoin de cuisiner. Pour cuisiner, là, il faut qu'on garde l'enfant. S'il n'y a pas quelqu'un qui est à côté qui peut garder l'enfant, la vie va être comment hein? Les hommes doivent rester. Si tu quittes de la, euh, euh, du travail, viens chez toi là, Parce que tu es le père de la famille. Il faut que les hommes là s'impliquent pour la bonne marche de leur euh, famille. On doit effectivement aider les mères. Mais aujourd'hui, vous savez, notre contexte dans lequel on est, la société dans laquelle on est. Si tu es là en train d'attraper, toi personnellement, tu me trouves en train d'attraper mon enfant là, à supposer que vous êtes deux. Tu vas dire, ah, tu l'as été ensorcelé alors que la religion même le recommande. Hmm? La religion même recommande à ceux que entre deux conjoints que vous arrivez à vous aider. Et à ce moment, le bonheur rentre dans votre foyer. Mais quand tu le fais aujourd'hui, bon, il faut faire fi. C'est vrai, il faut faire fi. Il faut faire euh, à cause de Dieu, faire comme tu le veux, comme Dieu l'a dit. Il ne faut pas écouter les gens. Mais aider en, en, en, en mot clair, les hommes doivent aider effectivement les femmes. Parce que la femme est préoccupée c'est elle dans les marmites, c'est elle euh, qui doit balayer, c'est lui qui doit préparer. Euh, Supposer qu'il n'y a aucun enfant, elle ne peut pas le mettre au dos à chaque moment, parce que là encore c'est un problème. Donc effectivement, on doit l'aider, on doit l'aider pendant son temps, ce temps de travail, et quand on aura fini, on reprend son enfant. De retour au studio, je vous repose une petite question, docteur Nafissa. Est-ce qu'il est recommandé de laisser une personne tierce de la famille s'occuper de son enfant, surtout en ce moment de pandémie euh, merci pour cette question. Euh, en fait, c'est assez complexe. Euh, normalement, c'est aux parents de prendre soin de leurs enfants. Mais vous savez que dans notre société, il y a beaucoup de contraintes qui font en sorte que on a toujours besoin de quelqu'un pour nous aider à prendre soin de nos enfants. Ça, c'est on ne peut pas dire euh, obligatoirement c'est à la mère ou au père de rester s'occuper de leurs enfants. Normalement, c'est à eux, mais il y a toujours des impératifs. Il y a, le travail, euh, il y a le voyage, euh, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte que l'essentiel, c'est que la personne qui va s'occuper de cet enfant soit consciente de la responsabilité qu'elle a de s'occuper de cet enfant. Là, c'est un élément extrêmement important. Si c'est une nounou, il faut qu'elle sache que voilà, cet enfant-là, son hygiène doit être respectée, son alimentation doit être saine, voilà à quelle fréquence il doit recevoir euh, son manger et, à quel moment il faut le faire coucher, qu'il dorme pour se reposer, voilà, euh, c'est ce qui est extrêmement important. mais dire euh, obligatoirement qu'il faudra que ça soit les parents, c'est ça, on peut pas l'imposer. Il y a des, il y a des, enfants qui ont perdu leur enfant euh, à bas âge, qui ont perdu leurs parents à bas âge, donc ça sûrement c'est quelqu'un qui va s'occuper de Donc l'essentiel c'est que celui qui va s'occuper de l'enfant sache ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter parce que c'est ce qui est extrêmement important, surtout euh, en, cette ère de, des technologies, des réseaux sociaux, etc. Même mhm. les parents, il y en a qui sont enclins à se concentrer plutôt sur euh, leur smartphone, euh, leur tablette, que de s'occuper de l'enfant. Mhm, mhm. Alors, par rapport à ce qu'on vient d'écouter sur qui doit prendre soin de l'enfant entre le père et la mère, quel est votre avis sur la question euh, <laughs> bien sûr, s'occuper des enfants, c'est les deux parents, mais on sait que l'enfant, il passe beaucoup plus de temps avec la maman. Et je crois que c'est pourquoi euh, on dit que euh, éduquer une, une fille, une femme, c'est éduquer toute une nation parce que les enfants passent beaucoup plus de temps avec leur mère. Mhm. Donc, c'est les deux parents qui doivent concourir, travailler main dans la main, mais tous nous savons que l'enfant, il passe beaucoup plus de temps avec sa maman. Voilà. Je vous repose euh, la même question. Qu'est-ce que vous pensez de ça euh, Effectivement, il faut les deux parents pour, pour euh, s'occuper des deux enfants et surtout en ce qui concerne son éducation. La maman seule ne peut pas tout faire à son enfant. Qu'on vient de dire aux les femmes travaillent beaucoup. Quand tu as la cuisine, il faut que quelqu'un qui faut le bébé. Il mhm. ne pas tout de suite le mettre au dos pour que, tu fais la cuisine ou que tu te fait la, lessive. Donc, euh, je pense que le papa aussi doit prendre ses responsabilités pour vraiment garder le bébé si possible parce que parce que si ils sont là pour amener le manger, ils sont là pour je sais pas, donc ils n'ont pas le temps pour les enfants. Alors qu'ils ils ont une part de responsabilité à ce qui concerne l'éducation des enfants. C'est vraiment important. Mhm. Mm. Euh, Madame Mariama, dites-nous, est-ce que après une grossesse, vous vous êtes sentie seule par rapport à, la gestion du bébé, les responsabilités que vous avez en tant qu'infirmière euh, Est-ce que vous êtes sentie seule à un moment donné Non, non. Vous avez été bien entourée ou pas oui, il y a une accompagnante. À ah, de certains moments après l'accouchement, les mères se sentent souvent seules. On parle de syndrome post Bartoum, si je ne me trompe pas, est-ce que cela signifie et est-ce que cela peut être un danger pour l'enfant, docteur Nafissa euh, Vous savez, euh, déjà, la grossesse, un stress, euh, accoucher, avoir un bébé, ça aussi, c'est stressant. Mhm. c'est un, un très gros stress et d'où l'importance euh, pour cette jeune maman, cette nouvelle maman, euh, d'avoir euh, un accompagnement, surtout celui de son conjoint et de la famille, et parce que c'est un stress. Elle seule sait ce qu'elle vit et, et, puis voilà, elle se demande est-ce qu'elle sera à la hauteur, prendre soin du bébé, c'est c'est des choses qui, qui traversent l'esprit mhm. et qui font qu'il euh, il y a ce stress. Et c'est extrêmement important que cette jeune maman soit accompagnée euh, par l'amour de son conjoint, l'amour de la famille pour l'aider à relever le défi, comme on le dit, parce que c'est un gros challenge. Mhm. C'est vrai qu'auparavant, les jeunes mamans ont toujours eu l'assistante de leur mère pour la simple raison que, pour la première expérience, elles partent chez leurs parents pour séjourner jusqu'à la quarantaine. Cependant, cette pratique a tendance à disparaître. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le vrai sens de cette pratique, Madame Amsoto, en tant que mère et aussi euh, agent de santé Et en tant que germain aussi, parce que je suis germain, et là, c'est notre tradition. Hein? Mhm. C'est notre tradition. Bon, je ne sais pas, au fait, euh, ça, dépend des, ethnies. Oui, je sais pas. Sinon, mais sinon, chez nous, les germains, ça, reste tout, ça existe toujours. Chaque fois, quand la femme a une grossesse, et en tout cas pour la première fois, le premier geste, elle part chez ses parents. Deux fois, peut-être avant c'était à 7 mois, 7, 7, 8 mois, on les amène à la maison. Après la, quarantaine, elle revient chez elle. Maintenant, peut-être ce qui a changé un peu, c'est qu'elle ne part plus à 7 mois, mais mhm. plutôt après le baptême. Mhm. En tout cas, ce que moi je connais, ce qu'on fait chez nous quand même, c'est après le baptême, on, la femme accouche chez elle. chez elle on fait le baptême, et le, la nuit du baptême, ou le, demi du baptême, elle passe chez sa maman pour faire les 40, les Et je pense que c'est vraiment très important, parce que c'est pour la première fois que tu accouches, tu ne sais pas comment même s'occuper de ton bébé réellement, même pour laver le bébé, même, je ne sais pas, pour plein, plein de choses, il, y a, il faut une expérience. et donc là, tu n'as pas cette expérience-là. Mhm. Je pense que c'est important d'aller chez le parent. En tout cas, si le mari le permet quand même, si le mari le permet, je pense que c'est très important d'aller. Mm, d'accord. Il faut aussi noter que c'est à cette occasion que les grand mères euh, euh, c'est cette occasion plutôt que les grands-mères saisissent pour donner des décoctions aux nourrissons. Docteur euh, Nafisa, en tant que médecin, comment appréciez-vous la prise de ces produits traditionnels Déjà, à la base, on sait que les médicaments sont faits à base de plantes et tout, mais le problème chez nous avec nos décoctions, c'est que on n'a pas un dosage. On donne comme ça et beaucoup constituent un danger pour la santé de l'enfant. On a vu euh, beaucoup d'enfants qui nous font des hépatites toxiques après la prise de décoction d'accord, ou bien euh, qui font des néphropathies, c'est-à-dire des, des, lésions au niveau des reins, à cause de ces prises de décoction. Donc, euh, moi, je pense que du moment où il y a un flou là-dessus, euh, éviter ça au maximum euh, constitue le mieux. Parce que le nouveau-né, le jeune nourrisson, il a besoin du lait maternel, pas d'autre chose. Il a besoin que du lait maternel. Et quand il est malade, il faut l'amener en consultation que euh, les spécialistes de la chose l'examinent et déduisent euh, de ce qu'il en est et de ce dont il aura besoin comme euh, prise en charge. Mhm. Le nouveau-né, il a besoin du lait maternel et de l'amour de ses parents, pas de décoction. Mhm. Toujours avec vous, dans ces pratiques anciennes, il y a cette manière de laver le bébé avec de l'eau presque bouillante, sans oublier le massage avec du beurre de karité. Est-ce que ce sont des bons gestes Si ce n'est pas bien pour la santé du bébé, que prévoit la médecine moderne alors Nettoyer le nouveau-né euh, avec de l'eau bouillante, le gros risque c'est de le brûler. Mhm. C'est ça le gros risque qu'on a, c'est de le brûler. Moi, je, me souviens, récemment, j'avais eu euh, un nourrisson en consultation. Je l'examine, je vois euh, une tache au niveau, une grosse tache au niveau des fesses. Et la maman me dit, en fait, c'était au cours d'un bain il a été brûlé. En fait, elle donnait le bain à, son bébé et à une euh, de ses cousines qui lui dit, mais tiens, c'est pas comme ça on fait. Il faut de l'eau bien chaude, bouillante. Euh, c'est comme cela qu'il va être fort, machin. Et le bébé a été brûlé. Donc le gros risque, c'est de euh, brûler le, le, bébé. Sinon, le bébé, on le lave avec de l'eau, de l'eau tiède, pas de l'eau bouillante quand même pas de l'eau bouillante, mhm. parce qu'on ne peut pas lui donner un bain avec de l'eau qu'on a pris au robinet euh, qui est froide, parce qu'on risque de créer une hypothermie chez lui qui, qui, peut être très très nocive pour sa santé. Mais de l'eau tiède, et, et, puis voilà, parce que le gros risque, c'est de le brûler, et c'est ce qu'il faut éviter. On ne doit pas nuire. Voilà. Et si c'est de l'eau tiède, peut-on laver le bébé tous les jours ou bien il y a certains moments, par exemple en saison froide, Peut-on laver son bébé tous les jours Ah non, nous, on ne le recommande pas, surtout euh, en hiver, non. On a juste besoin de, de le nettoyer et puis voilà. Sinon, avec le froid, il va faire euh, un rhume qui peut se compliquer par une surréflexion, des pneumatiques, des pneumopathies et les problèmes vont suivre. Donc, il n'a pas besoin d'être tout le temps, tout le temps lavé. Et même s'il faut lui donner un bain, même s'il faut lui donner un bain, il faut le faire euh, au moment où le, le soleil est haut c'est-à-dire vers euh, midi, 13h, 14h, où euh, il, fait, il commence à faire chaud. Je parle bien de notre contexte. Voilà. Mhm. Euh, comment nourrir alors le nouveau bébé jusqu'à un an Comment est-ce qu'on doit le nourrir Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le nouveau-né à la naissance, il a besoin du lait maternel. Mhm. Donc, l'allaitement Surtout euh, euh, un premier accouchement, il faut expliquer à la mère comment tenir le bébé, euh, mhm. comment le positionner et lui donner le sein quand il réclame. On ne peut pas dire que voilà, il faut lui donner de telle heure à telle heure, machin, non. Quand il a faim, il réclame donc lui donner au moment où il réclame. Faut pas dire mais ça fait tiens, ça fait une heure ou ça fait juste euh, euh, ça fait deux heures ou bien mais tout à l'heure il avait pris ça fait trois heures de temps qu'il avait pris machin pour non je, je, suis fatigué je vais pas lui donner maintenant il mhm. va attendre non donc il a besoin du lait maternel jusqu'à l'âge de 6 mois. À partir de 6 mois, le bébé a grandi et à cet âge, généralement à partir de 6 mois, il faut faire euh, euh, la diversification. Donc commencer à introduire euh, d'autres aliments autres mhm. que le lait maternel parce que le lait maternel ne va pas suffire à l'enfant. Mhm. Donc là, on commence à introduire des bouillies. Mhm. Hein. la bouillie, ça peut être une une bouillie de mille, machin, mhm. mais, euh, de mille, de sorgho, ou, euh, voilà. Donc, et on les enrichit. Mhm. On enrichit. Donc, on peut enrichir ça avec du lait ou bien euh, avec du jaune d'œuf ou avec du poisson. On peut préparer un poisson, sécher et faire de la poudre avec laquelle on va enrichir la bouillie. Euh, vers le 8e, 9e mois, on peut commencer à introduire euh, euh, d'autres aliments encore plus, comme les fruits et légumes, faire les purées, hein, et puis donner à l'enfant, tout en faisant extrêmement attention à l'hygiène. Mm-hmm. Avant de donner à manger à cet enfant, il faut bien laver les mains avec de l'eau et du savon euh, mettre l'aliment à lui donner dans un récipient propre, mhm. bien lavé, et faire tout ça là, loin des, des, des, mouches. Mhm. Parce qu'une mouche, dès qu'elle se pose sur un aliment, tout de suite, elle, euh, elle pose des déchets dedans qui peuvent être responsables de, de, de, la diarrhée chez, chez cet enfant. Donc l'hygiène, euh, sur tout le parcours, il faut faire attention à l'hygiène. Donc, euh, introduire aussi euh, euh, des légumes introduire genre le haricot et en tout cas on conseille aux parents de donner à l'enfant une alimentation riche et variée et généralement en fonction de ce qu'on retrouve localement. Mmh, mmh. Pour élargir euh, le débat, chers invités et auditeurs, je vous propose de suivre le portrait de Madame Mohamed Falmatabab Omar, une mère de trois enfants. Elle nous fait découvrir ce que c'est que d'être maman, une épouse, une fonctionnaire. On revient tout juste après au studio. Madame Mohamed Falmata Baba Omar, âgée de 33 ans et mère de trois enfants titulaire d'abord d'un Master 2 en gestion des ressources humaines et d'un autre Master 2 en communication des entreprises. Elle travaille présentement à la Loterie nationale du Niger à Niamey. Madame Mohamed Falmata nous raconte comment elle a vécu sa première expérience en tant que mère. Pour elle, la gestion des enfants n'est pas chose facile pour la mère, l'épouse et la fonctionnaire. De ma première expérience en tant que mère, je dirais qu'elle a été exceptionnelle parce que j'ai beaucoup attendu mon premier enfant. Difficilement, je l'avoue. En tant qu'épouse, heureusement, je suis mariée avec un homme compréhensif et qui m'aide beaucoup à la maison avec les enfants. il a mois. Donc actuellement, il est très attaché à moi vu que je l'allais toujours. Je travaille aussi six jours sur sept dans la semaine. On a une descente relative. Donc c'est pas facile de gérer avec deux filles qui ont constamment besoin d'attention et un petit garçon aussi qu'il faut allaiter à tout moment. C'est pas facile. La difficulté majeure, c'est à l'absence de leur père. Leur père étant un entrepreneur, il est régulièrement en voyage d'affaires donc je me retrouve assez souvent avec des enfants malades en même temps. Ils sont constamment en besoin d'affection et d'attention. Et sur le coup, quand c'est en même temps, c'est pas facile. Récemment, les trois enfants étaient malades en même temps. La grande avait une typhoïde, un palu et puis des amygdales à, à gérer. La deuxième, elle était aussi malade. Elle avait un paludisme le petit dernier qui était très enrhumé et qui a dû subir des séances de kinésithérapie. Et il a fallu même que je reparte en grande famille pour que la maman puisse m'aider. J'essaie en tout cas de gérer tant bien que mal en donnant à chaque enfant sa petite heure d'attention. Être une mère, c'est une grâce, indique Falmata Baba Oumar. Elle s'est dit satisfaite de comment elle coordonne sa vie. <laughs> Je dirais satisfaite et heureuse. Je pense que je n'aurais pas pu faire mieux. C'était une situation nouvelle et la vie étant ce qu'elle est, toutes choses et expériences. Après le deuxième enfant, le troisième enfant, on est habitué à gérer. C'est une grâce que d'être mère et de surcroît de trois beaux enfants. Malgré les difficultés de la gestion de la vie quotidienne, je remercie Dieu car j'ai une vie pleine et heureuse. Madame Baba Omar Hajia Binta est fière de la femme battante que sa fille Falmata est devenue. C'est une chance, vraiment. Il y a beaucoup qui n'ont pas vu, il y a beaucoup qui cherchent pour l'encadrer. Comme tu l'as encadré, elle aussi, elle doit encadrer ses enfants. Comme l'éducation qu'elle a reçue, elle aussi, elle doit donner à ses enfants. Vraiment, je l'apprécie. C'est une mère forte. Elle suit pas à pas l'éducation de ses enfants. Donc, elle aussi, façon qu'elle a eu, elle le suit sévèrement, doucement et calmement. Je l'apprécie bien, malgré tout avec son service, les, autres occupations aussi, elle suit vraiment. Elle ne se laisse pas faire. Je l'apprécie de ce côté vraiment. Le soutien de la famille est très réconfortant. Madame Mohamed dit que sa satisfaction est due au soutien de sa famille, son époux et de sa belle-sœur qui s'occupe de ses enfants à son absence. De retour au studio pour recueillir la réaction de nos invités, Madame Amsatou, dites-nous que pensez-vous de ce portrait que vous venez d'écouter en tout cas, je peux dire que cette femme est vraiment trop chanceuse d'avoir euh, un mari qui la soutient. Et vraiment, avoir sa maman à côté d'elle, c'est vraiment très important pour, pour, les, mamans, surtout les, nouvelles mamans. Vraiment, c'est important, elle est, chanceuse. Et donc, euh, il y en a qui n'ont pas leur maman à côté d'elle. Mhm. C'est vraiment trop difficile, surtout si les enfants tombent malades en même temps. Vraiment, c'est trop, trop, trop difficile. Donc, vraiment, chapeau à cette dame-là. Vraiment, c'est vraiment bien malgré l'absence de, du, mari, elle arrive quand même à gérer un peu avec la maman. Donc, mhm. c'est vraiment très important, c'est bien pour elle. Charles. Et vous, docteur Nafissa, qu'en pensez-vous euh, Comme l'a dit madame, euh, je la félicite aussi. Et c'est vraiment euh, très bien d'avoir l'appui de son mari à la maison pour, pour, s'occuper de ses enfants, c'est très important, hein. c'est très bien. En tout cas, je, je la félicite, je les félicite et leur souhaite beaucoup de bonheur pour leur petite famille. Euh, comme elle l'a dit, c'est stressant, surtout euh, le premier accouchement, s'occuper du premier bébé et tout, c'est stressant, mais bravo, elle a tout un soutien derrière elle et bonne chance pour la suite. Merci. Euh, tout à l'heure, vous voulez nous ajouter quelque chose par rapport à un petit passage Oh, toujours, en fait, concernant l'alimentation de l'enfant, euh, chez nous, il y a quand même certains tabous alimentaires qui font que les enfants ne sont pas bien nourris. Quand je prends l'exemple de, on dit qu'il ne faut pas donner des œufs aux enfants, sinon ils vont devenir des petits voleurs. Ne pas donner de la viande à l'enfant, sinon il va devenir un gourmand. Alors que, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de tabous comme ça. Alors qu'on sait très bien que ces différents aliments sont extrêmement important pour la croissance de l'enfant. Donc il faut que les parents sachent que ces aliments sont bons. Je dis bien, ils sont bons, ils sont bien pour le développement, la croissance de l'enfant. Il en a besoin, n'hésitez pas à lui en donner. Docteur, est-ce qu'il y a des euh, produits pharmaceutiques basiques dont doit disposer une mère à la maison en attendant d'aller voir un médecin, par exemple Produits pharmaceutiques basiques, euh, nous on préfère qu'il y ait un souci que les parents aille immédiatement au niveau d'une structure sanitaire. Sinon, les gens vont se mettre à payer des produits et puis euh, faire une automédication alors que c'est ce qu'on veut éviter. À la limite, on aimerait bien que les parents aient un thermomètre avec eux donc dès qu'il y a fièvre, ils prennent euh, la température, euh, ils s'assurent qu'il y a réellement une fièvre. Et peut-être à la rigueur, avoir du paracétamol, euh, sirop pour donner à l'enfant, mais pas d'autres médicaments pour... voilà. Et même le paracétamol, il faut savoir quelle dose donner à l'enfant. Donc du coup, nous, on préfère quand il y a un souci, l'enfant présente un souci de santé, que les parents songent à consulter immédiatement de la structure sanitaire qui est à côté. Et je crois que pratiquement dans, dans tous les quartiers, enfin, il y a des CSI à côté où euh, mm-hmm. les parents peuvent consulter immédiatement pour s'assurer que voilà, et qu'est-ce qu'il faut faire. Mm. Euh, madame je J'aimerais juste ajouter quelque chose à mm-hmm. propos mm-hmm. Je vous écoute, allez-y. Donc, Effectivement, l'hôpital a raison. Parce que quand on leur dit d'acheter quelque chose pour déposer, ça veut dire mhm. qu'ils ne vont pas venir à l'hôpital. Ils ne vont pas amener leur bébé dans le CSI. Mhm. C'est sûr, il y a des mamans qui ne veulent pas venir dans les hôpitaux, ils ne veulent pas venir. Donc s'ils ont quelque chose à la maison, ils vont continuer à donner, à donner jusqu'à ce que ça devienne un problème pour les enfants. Donc mieux vaut ne pas donner quelque chose. Moi, je pense que c'est encore mieux, sauf le paracétamol, comme vient de dire le docteur, en mhm. cas de besoin, en cas de fièvre, mm -hmm. ça ne manque pas de fois tu donnes en attendant, avant attendant le temps d'amener le bébé à l'hôpital, pour qu'il casser la fièvre. Mais sinon, d'autres choses, je pense que c'est pas bon. Mhm. Mhm. Tout à l'heure, on avait parlé d'allaitement exclusif, mais il y a une autre question qui me, euh, qui me chatouille un peu. Euh, docteur Ramsot, est-ce que c'est toutes les mères qui ont la possibilité d'allaiter leur enfant exclusivement du sein jusqu'à 6 mois sans eau Et oui, normalement, c'est ce que nous, nous voulons. En tant mhm. que sage-femme, je, je, conseille à toutes les femmes de faire l'allaitement maternel. Exclusif, pendant jusqu'à 6 mois. Malgré que c'est un peu difficile, surtout quand tu es fonctionnaire, c'est un peu difficile. Mais il y a des mamans qui ont assez de lait, qui peuvent exprimer le lait pour déposer. S'ils ont un député congélateur à la maison, je pense que tu peux extraire un peu de lait en quantité. Il y en a qui vont vraiment prendre du lait, quoi, les femmes. Donc tu peux exprimer pour déposer, comme il y a des aides d'allaitement. Maintenant, mhm. quand aux aides d'allaitement, tu peux revenir à la maison pour aller ton bébé et retourner. Maintenant, ce que tu as semé pour déposer là, c'est là. On va le donner jusqu'à le temps que tu n'es pas à la maison. Moi, je pense que c'est encore mieux. En tout cas, si on a si les femmes ont assez de lait, je pense que mieux vaut exprimer pour déposer, mhm. pour faire ton allaitement maternel exclusif. Vraiment, c'est très important pour le bébé et aussi pour la maman. D'accord. Chers auditeurs, euh, j'espère que vous avez compris euh, tous les conseils qu'a donné les médecins et aussi l'avis de la mère de famille. Place maintenant à notre rubrique habituelle affairage des échanges entre femmes qui sensibilisent tout un humour affairage, affairage, affairage, affairage. Félicitations, madame. C'est une fille que vous attendez. Hamsa Hamsa Hamsa, je te parle. Hum. Excuse-moi, j'étais perdue dans mes pensées. Ah, ce n'est pas bon dans ton état. N'oublie pas que tu es enceinte. Tu dois éviter le stress. Qu'est-ce qui te tracasse autant hum. Je viens du centre de santé pour une échographie. Le médecin m'a annoncé que j'attends encore une fille. Masha Allah, c'est une excellente nouvelle que tu m'annonces là. Tu n'as que des filles. Je t'envie vraiment, Masha. Si tu savais combien j'aimerais avoir une fille. Mais attends, qu'est-ce qui t'attriste alors Ton bébé est malade <laughs> si jamais j'accouche, ça sera la quatrième fille. Et mon mari s'attend à avoir un garçon. Je ne sais même pas comment le lui annoncer. Je ne comprends rien de ce que tu essaies de me faire comprendre. <laughs> mon mari m'a prévenu que si j'accouche d'une fille, cette fois-ci encore, il va prendre une seconde épouse. Pour cela, j'ai consommé toutes les plantes que ma mère m'a apportées et respecter le régime alimentaire que ma cousine m'a conseillé pour augmenter les chances d'avoir un garçon. Hey, mais tu veux vous tuer ou quoi <laughs> Calme-toi. Abba, arrête de pleurer, s'il te plaît. Hein Cela peut avoir des effets néfastes sur ta grossesse. Mais sache que c'est juste un prétexte que ton mari cherche pour se marier. Comment ça, un prétexte Oui, de la pure génétique. Il faut que tu comprennes que c'est l'homme qui détermine ce que porte la femme, car c'est lui qui donne le chromosome qui détermine le sexe du futur bébé. Donc ne te stresse pas pour ce genre de choses. S'il faut condamner quelqu'un, c'est plutôt lui. Ah bon, ma chérie C'est scientifiquement prouvé. De toute façon, un enfant, garçon ou fille, tu ne sais pas c'est lui qui fera ta fierté. Je vais en parler avec ton mari. C'est aussi son rôle en tant qu'époux de te préserver surtout par rapport aux préjugés sur les naissances. Tu as absolument raison. Nous ignorons tout cela. Tu ne sais pas à quel point notre désir d'avoir un garçon a compliqué la relation entre mon époux et moi ces dernières semaines. Fille ou garçon, j'aimerais nos enfants d'un amour inconditionnel. C'est cela le rôle des parents. Alors souris un Ça va aller. Charles. Euh, au studio pour recueillir une fois de plus l'avis de nos invités. Docteur Nafisa, que pensez-vous de cette rubrique que vous avez écoutée euh, Ça m'a fait... Euh, en tout cas, on voit à quel point souvent les femmes sont un peu malmenées <laughs> par rapport à cette question du sexe de l'enfant. Il y en a qui ont tout le temps que des garçons et elles ont une pression, il faut qu'elles aient des filles, ou bien il y en a qui ont que des filles, mhm. elles subissent une pression, il faut qu'elles aient des garçons. Bon, c'est, c'est, dommage, alors que euh, c'est, ce n'est ni euh, au papa ni à la maman de, de, de, faire le choix du sexe, on sait très bien comment, comment ça se passe. Comme son ami lui, lui a dit, en fait, c'est, de toute façon, c'est au final, on sait que c'est le bon Dieu qui choisit quel chromosome, euh, enfin, quel euh, spermatozoïde euh, va fusionner, enfin, va s'associer avec l'ovule et puis donner. ça peut être un, spermatozoïde X, ça peut être un Y. Voilà. Donc c'est pas, ce n'est ni ni le papa ni la maman qui fait le choix, c'est voilà. Donc euh, la maman, le papa, tous sont impuissants. C'est le bon Dieu qui décide. Donc, je crois que les gens doivent euh, apprendre à, arrêter ce stress. C'est pas à nous de, enfin, c'est pas nous qui choisissons, c'est le bon Dieu qui, qui choisit, voilà. Exactement. Et vous, Madame Amsato, qu'en pensez-vous ah, Je pense que le, plus important, l'essentiel, c'est d'avoir des enfants. Qu'ils soient filles ou garçons. Moi, je pense qu'il n'y a pas de souci, hein. normalement normalement. Mhm. Et généralement, les problèmes, c'est au niveau des hommes, hein, des fois, <laughs> je ne sais pas. <laughs> Mais sinon, le sexe, le peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir des enfants. Avoir des enfants. Parce que je pense qu'on a, a des médecins femmes, on a des médecins hommes, on a des juges femmes, on a des juges hommes, on a tout, tout, tout ça. Donc, il n'y a pas de souci. Mhm, mhm. L'essentiel, c'est d'avoir des enfants. Et que tu les éduques normalement. C'est ce qu'on souhaite, Inch'Allah. Comme, mhm. elle l'a dit, l'essentiel, c'est d'avoir des enfants hein, qui sont en bonne santé, qui vont grandir, qui vont être une fierté pour les parents, une fierté pour la nation, une fierté pour euh, tout le monde entier et euh, une grande fierté pour le bon Dieu. Exactement. Exactement, c'est ici que prend fin ce numéro d'Espace Femmes sous le thème Comment prendre soin de nourrissons. Nous étions en compagnie de Madame Alka Amsoto, technicienne supérieure en soins obstétricaux, et de Madame Naino Nafisa, pédiatre, et aussi de Madame Amadou Mariama, infirmière et mère de famille. Merci à vous, chers invités, de nous avoir honorés de votre présence. Merci aussi à vous, auditeurs et auditrices, qui nous suivez sans arrêt. Je suis Samira Rafi pour la modération de cette émission et la régie a été euh, assurée par Amina Hassan. Merci et au revoir.